Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste use la sagesse s'exprime. Hey. Vous, vous rappelez certainement de Yous la sagesse. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim. Le parcours du combattant. Pour rappel, mesdames et messieurs, il est artiste, cinéaste, comédien. Il a commencé les hostilités artistiques en 2016. Aujourd'hui, avec l'artiste, nous allons parler non seulement du cinéma, mais aussi de sa vision de la comédie Made in Niger. Il est influenceur sur les réseaux sociaux. Il taquine spécialement la créature sacrée, c'est-à-dire la femme. Use la sagesse. Nous sommes aujourd'hui le 7. Demain, la journée internationale de la femme. Elles vont te cuisiner sur cette émission et je sais que tu as un message pour eux à la fin. Oui. Yous la sagesse, la machine te souhaite la bienvenue sur la rubrique L'artiste s'exprime. Eh mon pote, comment tu vas Je vais bien. Dis-moi que tu pètes la forme. c'est la forme. Je pète la forme, je pète la forme. Yous la sagesse. Réunissons les conditions qu'il faut pour parler du cinéma au Niger. Tu as commencé la chose en 2016. Comment est-ce que tu évolues pour ensuite parler de l'évolution du cinéma au Niger Tu es jeune, tu inspires beaucoup de jeunes. Les, les jeunes t'écoutent. Les jeunes, en termes farato, kiffent. À toi la parole, exprime-toi mon frère. Euh, en fait, je, pour commencer, je dirais que euh, le cinéma nigérien, mhm. ça promet. Ça promet Oui. Parce que euh, quand vous faites le constat. Donc, si on parle en termes clairs, ça veut dire que maintenant, ça ne marche pas. Ça promet, ça veut dire que ça va marcher. Ça va marcher, mais Ok. disons que euh, c'est vrai que même maintenant, on arrive à se débrouiller, mais pas comme on le veut. Pas comment lever parce que euh, aujourd'hui nos productions sont limitées. Quand vous constatez aujourd'hui au Niger, Qu'est-ce qui vous limite euh, premièrement, je dirais que c'est surtout euh, ce côté financier que les gens, dont les gens n'aiment pas parler. Le matos. Le matos. Parce que si. Bata. Exactement. Boza. Boza. ta Donc, ce côté financier est vraiment un un handicap pour Un frein. Un frein. Bon, je dirais pas un frein parce que ça nous freine pas, mais plutôt un handicap, ça, ça ralentit un peu nos pas. Ok. Mais... on mais Donc, aime la chose. On aime la chose. Il y a ce côté financier là. Il y a aussi euh, ce, ce manque d'expérience professionnelle. Quand je dis manque d'expérience professionnelle, c'est vrai que euh, aujourd'hui, la majeure partie des cinéastes nigériens ne sont pas des gens qui ont euh, étudié profondément le cinéma. On s'est lancé dedans par passion, parce qu'on aime. Et je pense que euh, il faudrait peut-être qu'on ait accès à des formations de, de, haute professionnalisme et tout. Mhm. Peut-être qu'avec ça, on aura un, peu plus de coups de pouce pour avancer. Mhm. maintenant, ce côté financier, c'est vrai que le cinéma fait partie des, des arts qui demandent plus de moyens euh, financier. Parce qu'aujourd'hui, sur un plateau de tournage, mhm. même si c'est un court métrage, tu n'as pas moins de, de, de 10 techniciens. Mmh. 10 techniciens. Donc, on n'a pas une heure d'état En un mot, moyen signe, on va regarder frère. Moyen signe de. Irma odi, irma fatta era. deux furdura. Comédie odi nkara gote voilà wallahi, euh, je dirais Alhamdulillah parce que aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à faire des choses et les gens aiment. C'est ça l'important. Ça avance alors. Ça avance. Okay. Tant que euh, tu n'as pas un retour positif, c'est zéro. Bien sûr. Tu peux, tu peux déjà lâcher. Mais mm. Alhamdulillah, notre dernière production qu'on a sortie, les jeunes nous ont demandé plus. C'était un court métrage de 13 minutes. 13 Je ne sais pas si vous vous rappelez de. Ça a parlé de quoi le, La chambre 318. Ça chambre 318. C'est actuellement disponible sur YouTube. Bien sûr. C'est l'histoire. Bon, je fais un petit résumé. C'est l'histoire d'une fille, d'une fille euh, pyromane. On dit d'une nana. D'une nana d'une nana. Ou euh, d'une gonzesse sur les Exactement. Donc, c'est l'histoire d'une nana qui a tué sa, son copain. Et qui a fait tout pour euh, rabattre le, le, crime sur. Euh, sur les autres membres de, l'équipe avec lesquels ils étaient dans, dans la chambre. Ok. Donc c'est un peu ça. 318 est disponible sur YouTube, sur, la page, sur la page, sur la chaîne YouTube de Magina Entertainment. Magina Entertainment. Yus, tu taquines d'une ou d'une autre, la femme à travers les réseaux sociaux, sur ta page Facebook. Je te suis de près. Tu es soit skinny ou accouché. Use la sagesse. La femme te suit présentement, sur tout ça la fada. la sagesse. L'instant est solennel. Un message pour ainsi souhaiter bonne fête à la femme, internationalement parlant, puisque demain c'est le 8 mars, journée internationale de la femme. Yus, la machine et les humains t'écoutent. Donc pour, euh, pour ce 8 mars, je tiens à rappeler à toutes les femmes Ici et d'ailleurs que vous êtes des reines. Et malgré les taquineries sur Facebook, sur les autres plateformes de, des réseaux sociaux, je vous réitère mes, sincères salutations, je vous réitère mon amour. Tu te cherches. Allah te Albarka. Les femmes, ce sont nos mères, ce sont nos femmes, ce sont nos enfants, et ce sont, c'est la mère de l'humanité. ashemumuza mbaye umukene no aige kasko kaima gisi amuneni se ermul fonda samu păi, păi. <laughs>